suna Allah wajen da tahiyar mulkin nan da ake a gaishe ku a ku ku dubin dubatan mutane sun taru sana Allah wadai da yadda ake mulki a ƙasar yau barka abdu ya gajiya ba a daga nan kan la concertation kin ba san ko ta dauke mutane can ba san ko a dauke mutane don tsaya ne ake ana shiga sai ake ana shiga eh shiga ce ai wallahi na ga cikin ai na ga mutane can hmm. ka kamara da gashe ka gashe ku sanin ku dai <laughs> barka barka gashe ka gashe ka gashe ka yawon saninku kuma yanzu ga 'yan motoci na hmm. ces forces forces qui protègent ces, insurgés, ces, gens qui viennent nous attaquer. non, absolument, nous pensons que ce n'est pas le bon choix que le gouvernement nigérien a fait de vouloir dire que les gens sont chassés du, Mali et vont venir avoir le refuge au Niger. Ça, c'est inacceptable. Nous considérons que ce qui est en train d'arriver au Sahel, il n'y a rien à faire. La France est entièrement responsable. La France de Sarkozy, tout le monde le sait. C'est parce qu'ils sont partis provoquer ce qui est arrivé à Libye que nous sommes en train de vivre, entre autres ceux que nous sommes en train de vivre aujourd'hui Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas être, comment on appelle ça, celui qui met le feu et que soit celui avec lequel on va éteindre le feu. La vie est chère au Niger. et vous le savez très bien, vous le savez très bien aujourd'hui, nous, nous avons mené un combat. Dans ce pays, tout le monde le sait. Ce combat que nous avons mené, c'est pour avoir une qualité de vie améliorée. Que nous soyons dans la position d'avoir une vie beaucoup acceptable, beaucoup moins cher. C'est ça l'idée de la coalition équité qualité contre la vie chère au Niger, pour que nous puissions être dans la position d'améliorer les, les, conditions de vie des populations. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, vous avez vu nous, ce que nous avons eu comme idée. En, 2005, on a engagé l'État du Niger sur notre proposition à nous, en tant que société civile. Le gouvernement s'est engagé à aller dans le sens de la valorisation et de la, de la valorisation des ressources minières et pétrolières. Et depuis qu'on a lancé cette idée, le pétrole est aujourd'hui là. Et certains ne croyaient même pas qu'il y a ce pétrole. Disons, Donc, de la politique qu'il n'y avait pas de pétrole au Niger. Est-ce que la rue nigérienne est capable de faire reculer le gouvernement nous sommes convaincus. sur le gasoil Nous sommes convaincus. Nous sommes convaincus. Vous savez, nous sommes des citoyens patriotes. Nous sommes des citoyens démocrates. Nous sommes convaincus que dans, en démocratie, la lutte, c'est le nombre des populations, c'est l'engagement des citoyens, c'est le rapport de force euh, et, qui n'est pas un rapport rapport de force physique, mais c'est un rapport de force morale qui correspond à ce que représente l'engagement des gens vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de l'État, leur responsabilité vis-à-vis de l'État et leurs obligations qu'ils doivent respecter et qu'ils doivent éviter aussi à notre pays et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le pétrole aujourd'hui, vous savez, il a été augmenté, on a augmenté le gazon, Oui, on a augmenté le gazon. parce sécurité du c'est d'abord le devoir des Nigériens, c'est à eux qui revient euh, de donner l'orientation et non une orientation euh, dessinée, comme un euh, passeport, comme un joker par des gens qui ont souvent la prétention d'être le monde, d'être la communauté internationale, qui trop souvent un logiciel qui est fabriqué pour une catégorie de gens sur cette planète mais qui, euh, <laughs> pour eux, dans leur imaginaire, devraient être destinés à... yaro waka waka waka sifuro sifuro jama'a ga furni banda moso moso Yeah. sita sita yi magana ya hare magana ya